Kamikaze, Liman, Dondi la machine, te souhaite la bienvenue. à toi te souhaite la bienvenue. Bien sûr, donc dans bienvenue euh, Dondi. ça va, tout se passe bien Ouais, ça va. Commençons par le commencement. D'accord. Kamikaze Liman à l'état civil. Abdul Kader Halilou. Abdul Kader Halilou. Ouais, Halilou. <laughs> yes, ça. Abdul Kader Halilou. Voilà, si tu veux. Abdul Kader Halilou. <laughs> Voilà. Kamikaze Liman. Yo. Tout est parti de ce pseudo Kamikaze Liman. Yeah. Kamikaze. Pourquoi Kamikaze et les, kamikazes, en fait, c'est ceux qui se sacrifiaient, qui donnent leur vie. Bien sûr. Mais pour la patrie, quoi. Ouais. Donc là, c'est pas, euh, tu vois, c'est la philosophie qu'on prend. Donc euh, qui, est, prêt à défendre, voilà, du mieux qu'il peut, du mieux qu'il peut. Au moins avec son. C'est ça le concept. Vois, voilà. <laughs> Et même temps les dizaines de gentlemen, <laughs> Kazlima est aux côtés de la masse populaire. C'est ça. Comme Kazlima, on t'appelle aussi lintello explique Expliquons yeah. un peu le concept. Mais parce que voilà, c'est ça quoi. Donc les autres kamikazes, en fait, si tu veux, euh, là quand on le voit, les terroristes, voilà, ils se tuent avec des bombes et tout et tout. Mhm. Intellectuel parce que c'est avec des mots qu'on terrorise. Ah tu vois pas avec voilà, on n'est pas agressif. Nous, c'est à base de mots, en fait. c'est des flots. C'est des Est-ce qu'on peut avoir un peu de, euh, quand est-ce que euh, le hip-hop euh, a commencé chez l'artiste en question? J'ai découvert le hip-hop, en fait, à travers la danse, déjà. En 90, je voyais les grands danser, tout ça, à la télé, tout ça, et c'est vrai, on était vraiment mômes, mais oui, ça me blanchait, quoi, tu vois. Ah, et, en 95, toujours mom c'est vrai, mais on avait les grands frères déjà qui rappaient. Moi, c'était les sons de MC Solar, en fait. C'était vraiment le premier rap, si tu veux, en tout cas français. Mhm et avec lequel j'étais en contact, j'ai été en contact. Et après, j'ai découvert euh, les IAM, les NTM et pas mal d'autres euh, par la suite, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Super. Parlons un peu, euh, n'est-ce pas, aussi de cette formation Jorogiri. Diorogiri. Parce que nous, on a connu Kamikaze au sein de Jorogiri. Au sein de Jorogiri. Jorogiri. Parlons de Mokas, parlons de Desserti, parlons de Kamikaze, parlons de Jorogiri. Jorogiri, c'est un groupe qu'on a créé en 98. Donc, on a sorti notre premier album en 2001. En 98, En 98, oui. Ok. 2001, le premier album. 2001, le premier album Prélude. Donc c'était Mokaïs, Moutari, c'était euh, Idi Sarki. Son vrai nom, en fait, Idi, c'est Ibrahim. <laughs> Alors, Kamikaze, on va parler un peu, eh, bien sûr, euh, de ta carrière solo, Wizajaro Jaro Parlons un peu de ce concept. Tu as quitté le groupe, divergence idéologique. Ou qu'est-ce qui s'est véritablement passé euh, Ben, en fait, on est toujours frères. Hein. donc, c'est que moi, euh, j'ai toujours compris que de toute façon, les groupes de rap, à un certain moment-là, les gens allaient partir en solo, même s'ils même s'ils se reforment souvent. Après, tu vois, derrière. Et voilà, donc j'aspirais vraiment à, sortir quelque chose, à, tenter quelque chose en solo. Damasité ah, Parlons un peu de, cette étape de ta vie qui t'a certainement marqué. Parlons un peu de ce concert. un peu de ben, C'est ça, en fait. la première sortie de Ben ouais, la première, c'était, ben, c'est comme tu l'as dit, tu vois, il y avait euh, Damasité, donc euh, il y a eu tout une autour de ça, et euh, ben, un premier concert. Et, et premier guichet fermé, tu vois. Sincèrement, je, faisais partie des premiers surpris, quoi, parce que je, ne m'y attendais pas du tout à cela, quoi. Moi, je me disais que 300, alhamdulillah, ça le ferait, quoi. <laughs> La Daros Connection, dans ton temps, on a trop entendu parler de Daros Connection, Connection. Mm-hmm. Euh, tout est parti aussi euh, d'une manière ou d'une autre de, ça. Parlons de Daros Connection à Salam Team. Ben, en fait, Salam Team, Salam Team, il y a toujours Darwest Connection. Ça veut dire que la Darwest Connection, elle, est toujours là. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on ne peut pas parler de Kamikaze et parler que de la Darwest Connection. Mm-hmm. Mais Kamikaze, c'est toujours la West Connection. Il y a la Dream Zone, c'est vrai, il y a la Four Dimension, tu vois, il y, a, il y, a tout quoi, tu vois un peu. Mais la Dark Connection a, a, toujours été là pour casse, quoi. Ça, c'est quelque chose que je ne pourrais pas nier, quoi. Et la Salam Team, c'est quoi La Salam Team, en fait, ça, c'est, euh, tu vois, j'ai un label de musique, Salam Records. Ah, d'accord. Donc, euh, la Salam Team, si tu veux, euh, est un produit, donc, du label. Ah d'accord. Voilà, donc on a mis en place en fait une team Salam pour le label en fait. Yes. Mesdames et messieurs, <laughs> Si nous récapitulons, hein, Kamikaze Liman a commencé le rap à bas âge. Commençons d'abord par les années 90 euh, par la danse. Yes, sir. On l'a connu dans... Non, non, j'ai pas dansé en 90. J'ai connu. Ah, voilà, j'ai connu, oui. <laughs> voilà. Il a connu la danse en Peut-être que, peut que j'ai commencé à danser, je sais pas, dans les années 96 16, 17. c'est moi pas de danse. Ah, il me été. <laughs> Tant que ça. <laughs> Tant que ça. Donc, on espère que nous avons cerné l'artiste en, 5 minutes. Yo. On sait que tu as quand même à un moment donné aussi de l'histoire, mhm. disparaît un tout petit peu et tu es revenu pour dire Yanzumo Kahara ah, Qu'est-ce qui expliquait un tout petit peu, euh, n'est-ce pas, euh, ce retrait Ce retrait. Ben, euh, ben déjà, un, tu vois, en 80, quoi, non, en 2012 plutôt, mhm. j'avais initié un mouvement, un mouvement de jeunes, donc pour le volontariat et le développement, appelé Bloc Central. Donc, ouais, bien sûr. Oui. ils sont où les gars Ils sont là. Ils sont là et on a mené pas mal d'actions en fait sociales, tu vois, avec les guerriers là et les guerrières parce que c'est tous les deux. Donc euh, on cotisait et puis bon, bon voilà, euh, on, aidait en fait. Euh, si tu veux, on apportait notre aide dans des CSI, dans des écoles primaires, même, même dans des collèges quoi. Ah. Tu vois. Donc c'est ce que j'avais compris, c'est qu'on ne peut pas tout attendre en fait de la part de l'État. Nous-mêmes on peut faire quelque chose. Bien sûr. Tu vois. Ça à dire que si on, concède tout à l'État, mhm. après c'est normal qu'on se retrouve en fait dans les problèmes dans lesquels en fait nous sommes aujourd'hui. Tout à fait. Donc à un certain moment, il est important que les citoyens, tu vois, prennent conscience que eux-mêmes peuvent apporter leur pierre à l'édifice, à la construction en fait de ce pays. quoi. Mhm. C'est pas que le rôle de l'État. Je suis tout à fait d'accord. Dans ta carrière mhm. musicale, cela ne te cause pas de problème parce que c'est aujourd'hui que les artistes engagés, mhm. d'une manière d'une autre rencontrent un certain nombre de problèmes. Ah, Alors ici, c'est l'artiste qui s'exprime. On doit dire Est-ce que ton engagement aujourd'hui, le fait de dire ben, ça, j'ai comme l'impression y a... à dire que d'autres artistes, hein, c'est une impression, je sais pas. J'ai comme l'impression que d'autres artistes, en fait, euh, sont beaucoup plus soutenus parce que, bon, ben, euh, ils amusent la galerie, quoi. Tu je dis pas que je suis pas dans ce, il m'arrive d'être dans ce, dans, ce contexte, non Mais le côté engagé peut-être fait que bon, voilà, t'es pas partout euh, personne à grata. En fait, t'es plus personnellement non grata, quoi. tu comprends, <laughs> en tout cas, surtout quand il s'agit de, Voilà. C'est cela. <laughs> Authentique à on espère qu'on va te retrouver dans les jours à venir pour qu'on puisse parler du 26 parce que Kamikaze Liman envoie le coup. Sur ce, machine en terroriste, terrorist finish. <laughs>